L'art est au début et à la fin de tout développement. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et une émission spéciale consacré à la jeunesse nigérienne intitulé Tous à Fada. Une rubrique spéciale consacrée à l'artiste nigérien. Bonsoir et bienvenue sur L'artiste s'exprime. Connecté un peu partout au Niger, depuis la capitale de l'Aïr, Agadez, Woyiwam. Tous qui nous kiffe, alors je parle depuis Difa, c'est le manga Indewatu Kilewasale. Nos amis, auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission à travers nos 46 radios partenaires connectés depuis Zender, Maradi, Tawa, Ina Ininku. Tout ce qui nous kiffe, alors je parle depuis Dosso, Tilaberi, Matarankani. Vous êtes connectés certainement depuis Niamey, Kolo, Torodisai, eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, sur cette émission, on voit la découverte d'un artiste euh, rappeur euh, talentueux. Il est un jeune talent. Aujourd'hui, nous allons lui donner une visibilité sur cette émission pour vous permettre de découvrir du pied à la tête, comme on dit en termes fada, l'artiste sur cette émission. Je ne dirai pas quand même son nom, on va lui poser la question, il va répondre. Tout sur l'artiste, c'est tout de suite et maintenant sur cette rubrique. Comment tu vas Ça va, ça va bien. Encore. Tu me fais. Ça se passe bien Ça va, ça va, ça va, ça va. Et de ton côté Ouais, de mon côté, ça va. J'ai du mal, n'est-ce pas, à te saisir de haut. Ouais, parce que tu vois, le constat est déjà énorme. Je sais que tu mesures à peu près. 1m95. 1m95, donc 1m95. 2 mètres. Franchement, parce que je sais que je ne suis pas de petite taille. Mais là, ça se constate aussi. Donc, du coup, c'est le premier constat que moi je fais. <laughs> et je suis sûr que l'on aussi est constaté sur cette émission. Hmm. Nous te souhaitons la bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. À qui avons-nous l'honneur sur l'émission Tous à la Fada Mansa, Mansa, Mansa. Mansa. Mansa. Mansa. Mansa. On va décortiquer Mansa. Mhm, sans problème. Mansa veut dire quoi Bon, Mansa, oui. ça veut dire roi. Roi Roi. En Empereur. En malinqué. En malinqué. Hmm. Ouais, en malinqué. justement. Ouais, Mansa. voilà, comme Mansa Moussa. Mansa Moussa. Mansa Sundiata. Mansa Sundiata. Et il y a Mansa Sem. Mansa Sem. Ouais. Super. <laughs> comme le don alors. Ah, don dit. Ah, ouais. Ah, Super. Alors Mansa te vient d'où L'inspiration, le nom, pourquoi Mansa Bon, je suis nigérien. Nigérien. Je suis né à Niamey. Né à Niamey. Et euh, j'ai grandi en Tanzanie. Tu as grandi en Tanzanie J'ai grandi en Tanzanie dans une ville qui s'appelle Arusha. Arusha où on parle le malinké Non, il parle le swahili là-bas. Le swahili. Et l'anglais. Et l'anglais. Justement. Ok. Ouais, donc j'ai grandi là-bas et euh, bon, j'ai fait l'Afrique du Sud aussi. Tu as fait l'Afrique du Sud Dernièrement, j'ai fait l'Afrique du Sud. Euh, c'est là-bas que j'ai fait mes études. Ok. Et là, je suis rentré. Ok. Je, suis au. C'est de là-bas que vient Mansa Mansa Ouais. Mansa, Mansa, ça vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique Ouais, ça vient de l'Afrique. Le roi Et ça vient aussi parce que. Euh, du côté familial, maternel, mhm. on est des Keita du, du, Mali. Donc on est des descendants de Sundiata Keita. Donc, du coup, euh, tu es un roi. je ne me suis pas dit un roi. <laughs> Ouais. bien sûr, mais quand je dis roi, mais dans la musique, dans le hip-hop, parce que tu es venu pour prendre tout. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Donc, du coup, sur cette émission, nous allons aussi besoin de, découvrir l'artiste à l'état civil. Ok. Mansa, le nom à l'état civil. Mansa, le nom à l'état civil, c'est mm. Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia. Abdoulaye Dia. Ouais. Mansa. Mm. Tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé la musique euh, dans ta vie Bon, quoi? en fait, la musique, ça m'intéressait. Depuis le bas âge. <laughs> C'est ça Non. Ok. Euh, ça m'intéressait depuis 2013. Ouais, pour une fois, je me suis trompé. Ouais, euh, c'était au collège et tout ça, mais en fait, je faisais ça, mais j'étais pas, je me suis pas vraiment concentré dessus et tout ça. Quand tu, étais enfant, tu n'avais pas chanté Non, je n'avais pas chanté quand Le petit Jimbo à l'école. Tous, les enfants, tous les enfants chantaient. Moi, je me suis dit non, je vais rapper. Donc, euh, j'ai fait du 50 Cent, quoi, tu vois. Ah, tu faisais du 50 Cent quand tu avais quel âge déjà Dès la maternelle. Maternelle ah, ouais, Tu te rappelles des premiers flows de 50 Cent que tu as chanté Donc, c'est là ah, que tu as commencé la musique à base là, Je me suis pas trompé, les 10 ans d'Adjantman finalement. Ah ouais. Tu veux me faire quoi Goat et Justement, c'est le premier. Le premier, bien sûr, le son qui a cantonné de 50 Cent. Ça t'a inspiré C'est ça qui t'a amené dans la musique Ouais, non, y a- c'est sûr qu'il y a ça. Tu, tu- étais en tu étais déjà, tu faisais la maternelle, tu chantais Go Ah, c'est sûr. Tu te rappelles de tes flots de la maternelle mm. On y va sur le beat. <laughs> ouais, bah, bien sûr. Go, go, go, Go. gauche De 50 Cent De Cent, bien sûr. mais tu l'as fait de 50 Cent quand tu étais Ouais, à bah, maternelle. non, c'est le Go, Go, Go, It's your birthday. birthday. we going party, like, like it's, it's your, your birthday. birthday. You know, we don't give a fuck. It's not your birthday. Find me in the club. Voilà. Donc, Donc, du coup, tu faisais ça pour impressionner déjà les petites filles de la maternelle. Ah non, c'est sûr. Hein. <laughs> J'avais un bandana, je me croyais gangsta. Ouais, gangsta, et tout déjà maternelle. Tout le monde pouvait voir mes caleçons. Ouais, mais c'est le check-down. Le check-down était exagéré. <laughs> Depuis la maternelle, le mec, ah il a exagéré. Non, non, non, c'était eh, exagéré. Mais ça, c'est abusé, ça. Ah, en <laughs> tout cas, ma mère ne comprendrait rien sûr. Le ah, vieux non. maternelle quand même. Ah ouais, non. Mais ça, Tu, exagères. Ah, tu as exagéré. <laughs> Alors, man, ça, parle-moi un peu de ta vie professionnelle. Le rap en tant que tel, tu l'as commencé déjà en 96, tu l'as dit <laughs> Tu es né en 96. Je suis né en 97. en 97, presque. Hein. Au lendemain donc de ta naissance, le premier album, euh, n'est-ce pas, de la formation, la Calcaneille de passage, une mention spéciale à cette formation qui a aussi imposer d'une manière ou d'une autre un espace genre musical ici au Niger. Je me rappelle très bien en 1998, mhm. le premier album a vu le jour au Niger. La mhm. calcanée, la voix du Ténéré. Tu étais mhm. où en ce temps En ce temps, la voix. Mais tu as kiffé la Calcanet. Ah, ça, c'est sûr. Eh, voilà. Eh, ah, ah, hey, Tu sais, Madini. Tu sais, tu sais, Natamache. Big up, bien évidemment, à cette formation de taille. Alors, parle-moi de tes débuts. Parle-moi un peu de tes débuts. Sur cette émission, c'est important. On a besoin de ça aussi sur cette émission. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi euh, je me suis mis dans le rap et j'ai commencé à écrire des raps et tout ça en 2013, mais c'était pas, j'étais toujours pas à fond dedans. Et après, quand j'étais, il y a un moment où j'étais retourné pour aller en Tanzanie en fait, Ok. Euh, pour faire la, la première et terminale. Nous sommes en quelle année on est en 2015, 2015, 2015. 2015. Donc, je suis retourné en 2014, donc de 2014 à 2016. Super. Ouais, je t'ai retourné là-bas parce que je suis venu faire le collège ici, après j'ai fini le lycée là-bas. Et tu as fait sortir ton premier single en 2015 donc Oui non, bon, mon tout premier, premier, premier, j'étais même pas Mansa. Ah, tu ne pas Mansa, un artiste ou nul. <laughs> ouais, mais monsieur, mais tu portais juste ton nom, quoi. ouais, non, non, je m'appelais, à ce temps, je m'appelais Psyche. Saik. Et tu as changé de nom Psych, de psych, tu débarques, amène ça. Non, il fallait, que, fallait que je change, parce qu'avec Mansa, j'ai un peu, euh, j'ai plus assumé mon identité, surtout ma culture. Bien sûr. Et mon identité africaine et tout ça. Authentique. Voilà. Donc, euh, ouais, j'ai traduit ça dans ma musique, tu vois. Donc, euh, ouais, il fallait bien que je change pour devenir Mansa. Normal. tu vois. Bien que tu es aussi un afro-américain, parce que dans tes flows, je sens trop nest euh, pas, les US Il y a, l'inspiration. Il y a l'inspiration, tu, es, tout terrain. Ouais, tu fais quel genre euh, donc, euh, de quoi et quoi et quoi comme musique Man, un on peu me demande tout le monde ça. Et en fait, c'est que j'aime pas trop me limiter. Ok. Je veux pas me limiter. Tu es déjà limité quoi Voilà. Dans je, le flow. Je, veux pas venir dire que je fais du hip hop parce que je fais pas que du hip hop. Il y a du hip hop, il y a des influences afro, il y a des influences de. Je sais pas, des fois j'écoute à Salif Keita et j'essaie un, peu de mettre la prod. T'es un fou de la chose. Voilà. Euh, Alors nous allons découvrir tout ça dans un deuxième angle, mesdames et messieurs. C'est la présentation dans le premier angle. On a déjà une idée de Mansa dans le premier angle. Alors aujourd'hui, sur cette émission, on va prendre congé de toi. Mm. On sait que tu es né en 1997. Mm. On sait que tu as commencé véritablement à chanter à maternelle avec euh, l'interprétation de Gaucho et de 57. On sait aussi que tu as commencé à chanter en 2015. Alors j'espère que cette jeunesse ou tous qui kiffent cette émission ont retenu un certain nombre de choses sur Mensa. Nous allons donc euh, découvrir euh, les œuvres artistiques de l'artiste Mansa dans un deuxième angle, c'est-à-dire demain, avec euh, l'émission Tout à la Fada franco La Miss Rim, on va te laisser finir tranquillement ce que tu as commencé. On prend congé de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui kiffent cette émission à travers le site du studio Kalanko. On prend aussi congé de tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers nos 46 radio partenaires sur l'émission Franco Aoussa. Rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence. C'était Machine and Mansa. Wakanda Forever. Hey.